Je préfère le silence, mais je renonce jamais à la guerre. Trop mais on dirait j'ai la lacets sur le cœur. C'est pas les moments pour m'acheter un dernier effort. Non, je pars sur ton essentiel, c'est les rendre faire ma mère. Je suis devenu un homme depuis que j'ai perdu mon père. Enfant du pauvre, oui, c'est vrai, on n'a pas le bras long. Mais on va taper dur jusqu'à ce qu'on les mette d'accord. Quand ils verront les soirs, ils vont toujours les respecter. Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et Vous, vous rappelez certainement de Elsa. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss RIM, C'est-à-dire, tout version Franco Aoussa. Les 46 radios partenaires ont diffusé cette émission à 17h45. Aujourd'hui dimanche, même heure, même fréquence c'est que la donne qui change. Nous allons tout simplement parler du contenu de Elsa. Il n'est plus à présenter, vous l'avez déjà découvert hier. Elsa a commencé la musique en 2018, mesdames et messieurs, pour rappel. Il nous a parlé de sa descendance hier. Ceux qui ont raté l'émission, vous avez la possibilité d'aller sur le site du studio Kalango pour avoir un certain nombre d'informations sur Elsa. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Elsa donc dit la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. On est là, on est là. Ici Elsa, le Kylian Mbappé du rap nigérian. Je suis avec la machine. T'entends pas ou quoi Tu veux me péter les tympans ou tu veux casser le micro ou non, tu veux casser juste euh, pour les réveiller s'ils sont en train de dormir Ils sont, ils sont en on va les réveiller. <laughs> Toujours les flots qu'il faut et la place qu'il faut. Elsa, nous te kiffons déjà. en aime de ta musique. Et tu vois, les humains qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire le monsieur qui réalise l'émission, il te kiffe. Hein. Il s'appelle Al Mustafa Ayouba, c'est lui qui est le génie, quoi, tu vois. Le génie, Al-Mustafa, big et, toi. Et, aussi, madame, <laughs> madame est de l'autre côté, Ami. Moi, on l'appelle Ami Farah, elle est tout le temps contente, en fait. Ami Farah, c'est le nom. ça fait plaisir, Ami. Alors aujourd'hui, nous <laughs> avons envie de savoir un certain nombre de choses, sur toi Elsa. Ok. On sait que tu as commencé la musique en 2018. Claire. Tu m'as dit hier avec euh, déjà le son avec euh, lequel tu as commencé. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi déjà le truc C'est Niamey City. Niamey City. Voilà, c'est un freestyle. C'est quoi Niamey City Niamey City, en fait, je voulais refléter un peu l'image de la ville, un peu dire bon, voilà, nous on vit tranquillement, balèze, voilà, on est bien. Toujours jour, nous toujours sapé. Clairement, clairement, toujours frais, <laughs> comme je viens de sortir du frigo. mais toujours frais, ça. Il est propre, il fait du propre. Tu ne fais pas du sale, toi Non, moi, je ne fais pas Jamais du sale. Du sale. Non, nous, on, lave, on lave, au fait, on lave les choses. Si c'est pas propre, c'est pas bon c'est sale, c'est bizarre. <laughs> Un vrai punchline. Il va Alors, en dehors de Niamey City, qu'est-ce que tu nous as encore présenté Il y a euh, garder espoir. Garder espoir Pour dire que bon, la vie c'est un combat, il faut toujours garder espoir. Claire, clair. C'est la traversée du désert. Bien sûr, en ce temps-là, il n'y a rien dans les poches et puis je dis bon, même s'il n'y a rien, il faut survivre. Mais aujourd'hui, là, c'est rien. Mais tu as tout mis dans les verres, mon frère. Les verres tchatchés, ouais, ils restent à combien d'euros et ils montrent de malade des ne voit même pas ce qui est là. L'animal a souffert. Ça vaut le coup pour faire plaisir aux fans, pour faire plaisir sûr. Bientôt, on verra, bientôt on te verra du pied jusqu'à la tête. Inch'Allah. Elsa, troisième titre de l'artiste. C'est Hutumuke. Hutumuke Ouais, voilà. C'est Hutumuke Hutumuke, c'est-à-dire on se repose. On se repose tranquillement. Après Après avoir déjà euh, massacré, euh, on était en guerre, euh, on a pris ce qu'on a à prendre. Bien sûr, Pienard, je prends ma chaise et puis je regarde ce qui s'est passé. Et puis voilà. Comme un roi, tranquillement, tranquillement. Voilà. ok, d'accord. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu nous as encore livré Il y a Lyomi. Lyomi. Liomi, ça veut dire million, c'est du verlan. Lyomi. Ouais, voilà. <laughs> C'est des millions. On t'appelle pour l'oseille aussi. Ouais, c'est de l'oseille, mais non qu'à patienter. Le cachet est monté à plus de 500 000. Ouais, là, on va voir, on va voir, on va partir au-delà. <laughs> Au-delà <laughs> Claire. Alors, Elsa, en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec toi sur cette émission pour parler déjà de ton contenu. En dehors de ça, je t'ai connu aussi avec un autre euh, en featuring qui a marché. Bien sûr. Écoute, je vais essayer le truc. Ok. Inspire-toi sur le beat, hein. je commence et tu, tu continues. Ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Yo bada malam Hey. Ah. Yo bada Ta ta ta ta. Gayun fadisin tauri. Ga 'yan ga Taxi dans yeah yeah yeah yeah yeah. mutaka. Kofito Mutaka, taxi dance, Kofito Mutaka. Kofito Mutaka. Kofito Mutaka. J'aime bien ta danse là. Tu as une danse que tu fais là. Ouais, voilà. C'est quoi Mata, déjà Mata, ah, bah. Eya, Mata, Eya, Mata, Mata, Maza. Après, on t'a vu chanter, ok, d'accord, en featuring avec euh, d'autres artistes nigériens, MDM mais Force Morale. Oui, bien sûr. C'est pour dénoncer un certain nombre de choses. La situation du pays, c'est ça. Bien sûr, les gens s'en ont besoin et puis on s'est dit, il faut le faire. C'est ça aussi un peu l'artiste. Hein. Je suis d'accord avec toi, il faut faire bouger, d'accord. Ok, il faut faire bouger, mais il faut aussi dénoncer. Bien sûr. Alors, Elsa, number one. Il nous faut parler de cette vidéo déjà qui cartonne comme pas possible. Number, <laughs> yeah. Parlons de number one sur cette émission, Elsa. Parlons de number one. Voilà, Lambadaya actuellement. On ne se casse pas les choses. Hein. Il n'y a aucun souci. Lambadaya, pourquoi Lambadaya, au fait, c'est pour dire que je suis le numéro 1. Le numéro dans quoi Voilà, numéro 1 dans mon domaine, dans ce que je fais. Je dis pas que je suis numéro 1 plus que tout le monde, mais dans ce que je fais, je suis tu sais que tu As. Clairement. Tu, tout ce que tu sais, c'est que toi, tu es numéro 1. Et s'il y a quelqu'un, il n'a qu'à montrer. Si, dans ce que je fais, je suis seul dans mon délire. Je suis seul dans mon délire. Quand on prend un style. Euh, il n'y a pas deux. Euh, un, rap. Euh, voilà. Y a un pas punchline. Il n'y a pas deux. Flow, Clair. Un parlement. Ah, Mansi. Donc tu mets dans la chair de poule grande. je suis foutu. Ouais. Donc du coup, c'est ce que ça veut dire. Bien sûr. On peut avoir un truc de lambadaya sur cette émission Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Il n'y a aucun souci pour ça. Ouais. Hey. Lambadaya. ni ne lamba ɗaya dukansu malam na bar su a baya mun hutun jaki da kaya a baya kai dan adam bai da amana ka shi inuwa ya maida ka rana saboda maciji bai hana sara lokaci na ne ku tattara kaya tara da tara na kara da tara ai na fara gayu da su sara suna makara muke da basira tu as déjà fait des preuves je pense mais c'est freestyle avec plaisir et je t'attends je t'arrête même pas en fait tu peux le beat comme tu veux et tu joues comme tu joues comme tu veux ça fait plaisir c'est ça, plaisir le beat merci nous sommes pratiquement à la fin de la rubrique à la fin de ce numéro Hey Est-ce que tu peux déjà me parler de tes projets Qu'est-ce qui est en cours, Elsa Ouais, actuellement, il y a un gros projet qui arrive, un featuring avec l'artiste qui n'est plus à présenter, Ismoan, qui est de l'autre côté de, de l'Amérique, bien sûr. Un featuring avec Ismoan. Un gros featuring qui va faire du mal. Ça va faire du mal, moi, je sens ça. Ah, on, peut, parler de la veste rouge De la veste rouge, ouais. <laughs> on va même montrer ça. C'était mouillé, hein Ouais, ouais, c'était mouillé. on t'a poussé dans la piscine et tout ça. C'est toujours dans le tournage pour faire vraiment plaisir aux femmes. Et tu as trempé euh, l'animal tout. qui a souffert en bas. Même l'animal Le portable était aussi en poche. Clairement. Il faut prendre des risques. C'est les risques du métier. C'est les risques du métier et puis ça vaut le coup. Et ça va. Bah, trop, trop, <laughs> Ça va béni. Nous sommes donc à la fin de cette rubrique. Elsa, est-ce que tu peux t'adresser à la jeunesse nigérienne <laughs> Bon, à toute la jeunesse, vraiment, moi, ce que j'ai à vous dire. un peu partout. Qui kiffe cette émission à travers les 46 radios partenaires. et qui aussi suivent cette rubrique à travers le site du studio Kalango. Ouais. Ok, à toute la jeunesse, vraiment ce que j'ai à dire, c'est toujours bosser, toujours bosser. N'importe ce que, tu fais dans la vie, il faut bosser. Si c'est études, si c'est de la musique, si vraiment tu pars à Katako, il faut bosser. La vie c'est comme ça, hein. c'est pas un truc genre, ah, voilà, on est là, la vie fait du cadeau. Non, c'est pas comme ça. C'est le boulot, c'est le bar qui pèse, c'est comme ce que je dis dans l'ambassadeur. c'est pas quelque chose, hein, c'est le boulot, c'est le boulot. Donc, euh, soyons ce côté vraiment pour faire avancer le pays. C'est pas tard, c'est pas impossible, on peut le faire. Soyez béni ici, votre artiste Elsa, le Kylian Mbappé du rap Niger. Le travail est libérateur. L'esclave qui n'est pas capable de se libérer de ses chaînes ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort, Thomas Sankara depuis le pays des hommes intègres. Ainsi parle Elsa. C'était Dandy la machine et Lambadaya. Sur ce, croise les bras comme à des cordes primaires et on fait